une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette euh, édition du soir. Édition que nous débutons avec euh, l'impact que pourrait avoir euh, la pandémie du coronavirus sur la libre circulation des personnes et des biens. Analyse avec l'acteur de la société civile nigérienne Maman Bachar que je vous propose de suivre avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. L'un des impacts majeurs que nous constatons de toutes ces mesures euh, donc euh, préventive contre le coronavirus, c'est notamment justement la restriction des, libertés individuelles et collectives. Et rien que le fait qu'on interdise euh, tout regroupement, euh, toute réunion, tout AG, tout séminaire, tout atelier, c'est déjà une entrave justement aux libertés de réunion et de manifestations. Mais mieux, euh, si on dit que le couvre-feu euh, est, donc euh, effectif de, de 6 h du matin ou de 19h à 6 h du matin, vous voyez également les contraintes évidentes du point de vue économique et social que cela crée, puisque vous savez, il y a beaucoup de vendeurs de nourriture qui ne travaillent que la nuit, pratiquement. Donc, euh, qu'en est-il exactement de leur sort Puisque euh, souvent, dès qu'ils font 3-4 jours sans travailler, c'est dans l'ensemble de leur économie qu'ils vont pouvoir euh, manger et survivre. Donc, et après donc la crise, comment ils vont pouvoir relancer leurs activités Donc, vous voyez bien que les impacts économiques ou socio-économiques seront assez, assez majeurs pour ce qui nous concerne. En cette période de crise sanitaire et en prélude au mois béni de Ramadan, le ministre du Commerce a énuméré certains produits de première nécessité auxquels il a établi un prix plafond à, ne pas dépasser. Les consommateurs saluent cette initiative dans ce reportage à Dura et Kantama Ibrahim. C'est dans le souci de mieux gérer la situation du pays caractérisée par une crise sanitaire et en prélude au mois béni de Ramadan qu'un prix plafond a été attribué aux différents produits de première nécessité à travers un décret du ministère du Commerce pour une durée de trois mois renouvelable. C'est une première au Niger et c'est une initiative louable, nous dira le défenseur des droits de consommateur. Avec la libéralisation qui a commencé depuis 1992, c'est la première fois que le ministère du Commerce prend un certain nombre de produits de première nécessité et arrête le prix dans un arrêté. Or, on sait que les produits qui, font l'objet de fixation de prix par l'État, <coughs> c'est les hydrocarbures, c'est le priage, et il y en a trois produits à peu près. Alors pourquoi cet arrêté En tout cas, euh, le ministre nous a rencontrés et à l'occasion, ils ont décidé de prendre un arrêté après la proposition faite par les commerçants sur les prix de produits. Donc c'est une année particulière, il y a non seulement la question de la pandémie du Covid-19, mais aussi nous tendons vers la véritable période de soudure, mais aussi vers le mois de Ramadan. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la tendance sur les prix de produits, elle est haussière. Ça, c'est de... La demande est forte du fait du faible flux du commerce mondial, particulièrement en ce qui concerne les produits alimentaires. Donc, pour mieux cadrer ça, l'initiative a été prise d'avoir un prix plafond. Et le prix plafond, c'est ce qui a été proposé produit par produit. Mais il s'agit de produits de première nécessité, les céréales notamment, et quelques produits de base tels que l'huile, tels que le sucre utilisé pendant le mois de Ramadan, donc c'est de ça qu'il s'agit. Cependant, cette fixation de prix plafond peut engendrer des spéculations, d'où la nécessité d'une profonde communication autour de la question. Nous avons l'impression que cette notion de prix plafond risque d'amener à de la spéculation. Je crois qu'il faut rassembler les acteurs économiques pour leur donner toutes les clarifications par rapport au prix plafond. Ça, c'est de. Maintenant, le droit des opérateurs économiques, qu'ils n'oublient pas que c'est eux-mêmes qui ont proposé des prix. c'est la base de la vérification du stock et c'est la base de la vérification des prix sur le marché. Donc, quand on parle de prix, prix plafond, eux-mêmes, ils savent de quoi il s'agit. Pour les grossistes, pour les demi-grossistes et détaillants, c'est là le casse-tête alors là au syndicat sectoriel aussi de sensibiliser leurs membres. Parce que c'est vrai, c'est un arrêté, on a parlé de prix plafond, mais cela ne veut, ne veut pas dire que tout le monde doit s'allier Ou à l'endroit des consommateurs, c'est d'être prudent. C'est pas parce qu'on a parlé de prix plafond que les gens vont penser que ah, c'est le prix fixé par l'État et les commerçants doivent s'allier à ça. Non. Ce que vous constatez sur le marché, le prix, il a continué sauf s'il y a une évolution par rapport non seulement à la disponibilité, mais aussi par rapport au flux du trafic de, produits à l'intérieur de notre pays. Ainsi donc, ces prix sont fixés avec l'aval des commerçants. Ces derniers ont le devoir moral de respecter cette décision, faute de quoi d'ailleurs il y aura des sanctions conformément à la loi en vigueur. Sur tout un autre plan, dans cette édition, avec l'initiative troisième du programme de la renaissance du chef de l'État, Issifou Mahamadou, a permis au Niger de faire face et de pallier aux besoins d'insuffisance alimentaire dans certaines zones du pays. Afang Beji Kossi, Kantama Ibrahima. Son Excellence Issifou Mamadou, dans son discours datant du 6 avril, a fait cas des différents résultats obtenus sur le plan socio-économique depuis son arrivée au pouvoir en 2010. Avec la mise en place du cadre stratégique de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est un programme phare du président dont l'objectif est de faire face au déficit chronique des produits vivriers et céréaliers. Dans ce cadre-là, il a parlé d'un taux de pauvreté qui est passé de 55% en 2011 à 45% en 2018. Ce qui, de mon point de vue, est une très bonne chose. L'initiative l'initiative troisième, effectivement, a des stratégies. L'initiative troisième n euh, se repose sur les ministères sectoriels. Comme vous le savez, l'État a fait l'état de lieu de toutes les terres cultivables, de la disponibilité de l'eau souterraine, etc., etc il suffit pour nous. Et je pense que c'est là, c'est là où l'initiative, 3N euh, n'a pas atteint sa vitesse de mon point de vue de croisière. Pour atteindre sa fatigue de croisière, de mon point de vue, il faudrait qu'on sente qu'il y a l'irrigation, que les terres euh, répertoriées sont euh, en tout cas utilisées dans l'irrigation, que les cultures pour les, hommes et les cultures foragères pour les animaux sont en tout cas euh, produites sur notre territoire. À ce niveau, je pense qu'il y a un travail à faire. Ce projet engagé depuis 18 avril 2012 vise à favoriser la transformation du monde rural avec le programme PDS, Plan de développement économique et social, dans le sens d'assurer une autosuffisance alimentaire. Il y a un certain nombre d'arsenal, en tout cas, qui est mis en place mais je ne dis pas que c'est une fin en soi. Moi, aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui, ce qu'on me dise aujourd'hui qu'il n'y a pas de riz importé de l'extérieur, qu'il n'y a pas de tomates importées de l'extérieur, qu'il n'y a pas de sous importés de l'extérieur. N'est-ce pas C'est ça, euh, en tout, cas, en tout cas, ce qui me tient à cœur. Et je pense que c'est ça aussi ce qui tient à cœur le président de la République pour que, euh, probablement à la fin de son mandat, que les Nigériens mangent localement. Pas, en tout cas, ce que nous voyons où, euh, effectivement, tout rentre au Niger. Tout se mange au Niger. Tout n'est pas contrôlé au Niger, n'est-ce pas Et certaines personnes euh, de, de, mauvaise moralité tirent profit de cela. Je pense qu'il y a un travail à faire au regard, en tout cas, de ce que nous constatons. Il faudrait qu'on mette l'accent sur l'irrigation, viabiliser les terres, accompagner les paysans, donner les entrées aux paysans, les encadrer. C'est possible, nous avons des terres. Nous avons, chaque région, il y, a des terres, il y a ceci, cela. Faisons en sorte que nous produisons localement avec nos ressources et cela permettra à la jeunesse de trouver une occupation au lieu d'être en tout cas la part fragile de ces bandes criminelles qui sont autour de ce pays-là malgré toutes les réalisations et prouesses dans les différents secteurs pour le bien-être des citoyens, beaucoup d'efforts et investissements restent encore à faire pour pallier au déficit alimentaire constaté surtout en période de soudure. Enfin, comme annoncé, la partie magazine à cette édition est consacrée à l'analyse faite par Maman Bachar sur l'impact du Covid-19 sur la libre circulation des personnes et bien Très bonne réception. Au revoir. Dans les pays modernes, euh, dès qu'il y a une crise euh, sécuritaire ou une crise sanitaire, les premiers impacts, c'est d'abord la remise en cause des libertés publiques et des libertés individuelles dans une certaine mesure. Donc évidemment, très souvent, les mesures euh, qui sont prises par les autorités sont des mesures euh, quelquefois liberticides, mais qui sont justifiées par les soucis de protéger la communauté contre euh, une attaque, une agression ou un danger. Donc, euh, de ce fait, il va sans dire, comme vous l'avez vous-même constaté, qu'il y a un recul assez sérieux en ce qui concerne la libre circulation des personnes, des biens et des services. Et cette euh, restriction des libertés s'observe euh, pas seulement au Niger, même euh, dans un pays assez jaloux de cette liberté comme le Japon, puisqu'il a connu un peu les, disons, les dictatures militaires au temps de la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle il a fait de la question de la liberté de circulation un fondement même de, de, sa gouvernance et donc de, du royaume même. Mais eh, vous avez vu avec euh, cette affaire de coronavirus, bien, eh, bien que ça n'a fait que 80 morts là-bas, euh, donc dans ces pays, eh, à la différence donc euh, des autres pays européens où on compte des milliers de personnes, et vous avez vu, ils ont dû prendre cette mesure de restriction euh, de liberté qu'on appelle maintenant communément euh, confinement. Bon, euh, naturellement, cette restriction de liberté pour ce qui concerne nos pays ne peut pas, de mon point de vue, disons, s'appliquer de manière intégrale on les voit dans certains pays européens. Parce que euh, ici, euh, d'abord, euh, la majorité de la population, en tout cas selon les, les, éléments que nous avons à l'heure actuelle, la majorité de la population vit avec moins d'un dollar par jour. Et l'essentiel des personnes adultes sortent le matin pour trouver quoi ramener le soir à la maison. Donc si on fait un confinement, euh, il risque de, euh, disons, euh, de créer plus de conséquences négatives que la maladie elle-même. Et donc, euh, d'où une nécessité d'aménager un certain nombre donc de, de possibilités pour ne pas justement tomber euh, dans cette situation-là. Euh, deuxième euh, chose, c'est que le confinement lui-même, tel qu'il est dicté dans les normes européennes, ne peut pas s'appliquer ici, dans la mesure où vous avez ce qu'on appelle les célibataires où parfois vous trouvez 60 jusqu'à 70, voire 80 personnes vivant dans une concession. Euh, donc généralement, c'est des maisons alignées à 5, 6, 7, jusqu'à 10 parfois. Et dans chacune vit au moins 5 à 10 personnes dans certains cas. Donc dans ces conditions-là, même si on fait le confinement, je me demande quel est l'impact réel qu'il pouvait euh, euh, créer à ce niveau-là. Vous avez euh, d'autres quartiers qui sont énormément surpeuplés, sans les stigmatiser. Vous voyez un peu comme Gamkale, Antalaganda, etc. Pour ce qui concerne Niamey, il est difficile hein, euh, de contraindre les gens à changer euh, cette habitude de vivre quasiment plus au dehors qu'au dedans du fait que simplement la promiscuité est à un certain niveau élevé ne permet pas justement à l'ensemble de membres euh, composant la concession de pouvoir s'y trouver euh, de manière continuelle tout au long de la journée et tout au long de la nuit. Donc, de ce point de vue-là, je pense euh, de manière pratique, ici chez nous, le confinement ne peut pas prospérer. Donc, ce qui me permet de dire qu'il va falloir plutôt euh, insister sur les mesures préventives et euh, qui sont édictées, genre euh, le renforcement de toutes les mesures d'hygiène, hein, le lavage de mains, la distanciation, etc., qu'on a ici et là à, rappeler. Mais même en application de ces mesures-là, qu'est-ce que nous faisons de tous ces personnes marginalisées je parle ici des mendiants, je parle euh, des, personnes qui sont dans les périphéries, je parle ici euh, des personnes qui, par essence, vivent en groupe. Est-ce qu'il n'y a pas lieu plutôt de renforcer ces mesures-là en leur octroyant gratuitement donc de, des gels, des bavettes de protection, etc., etc., pour ces personnes marginalisées. Puisque ici, nous sommes dans un contexte, euh, disons, de santé communautaire. Puisque si vous vous portez bien et que quelqu'un à côté de vous est malade, vous risquez d'être dans la même situation que lui. Donc, votre protection ne peut être effective qu'en contribuant à la protection de l'autre. Donc, de ce point de vue-là, je pense que et cet euh, épisode assez difficile que nous sommes en train de vivre doit nous amener à penser, à penser, j'allais dire de manière euh, soutenue, à toutes les personnes marginalisées qui n'ont pas souvent accès à l'eau potable, qui n'ont pas souvent accès au savon, qui n'ont pas souvent des habits propres et ils n'ont pas les moyens d'assurer une propriété, une hygiène corporelle de manière quotidienne et constante. Quelle est la réflexion que nous devons euh, donc euh, adopter à ce niveau Qu'est-ce que nous faisons par rapport à tous ceux qui nous vendent euh, des produits alimentaires tout au long de la journée je parle ici de bouchers, je parle des vendeuses de kekena, etc., etc., qui souvent prennent la monnaie avec la même main et elles servent la nourriture avec euh, cette même main. Et vous savez, l'argent, c'est un des vecteurs les plus faciles hein, par lequel on peut véhiculer un virus, une maladie, un microbe. Parce que tout simplement, l'argent entre partout. Il est dans tout et partout. Et vous voyez un peu et, notre contexte socio-culturel, comment il se présente. Donc, quelles sont les précautions qu'on aura prises en direction justement de ces euh, populations et donc de ces professionnels-là nous pouvons prendre des dispositions dans les services où les gens ont à peu près euh, la même euh, éducation professionnelle, euh, un certain niveau de formation, etc., qui peuvent facilement se plier à des mesures dès lors qu'ils sont conscients que ces mesures impacteraient sur leur santé. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont même pas les moyens d'y penser Puisque toute la question est là. Ceux qui se battent pour leur quotidien souvent c'est d'abord le quotidien qu'il faut assurer avant de penser à une quelconque euh, euh, prévention ou à une quelconque euh, protection. Donc l'un des impacts majeurs que nous constatons de toutes ces mesures préventives donc contre le coronavirus, c'est notamment justement la restriction des libertés individuelles et collectives rien que le fait qu'on interdise euh, tout regroupement, euh, réunion, tout AG, euh, tout séminaire, tout atelier, c'est déjà euh, une entrave justement aux libertés de réunions et de manifestations. Mais mieux, si on dit que le couvre-feu euh, et, donc euh, effectif euh, de, de, de 6h du matin ou de 19h à 6h du matin, vous voyez également les contraintes évidentes du point de vue économique et social que cela crée. Puisque vous savez, il y a beaucoup de vendeurs de nourriture qui ne travaillent que la nuit pratiquement. Donc, qu'en est-il exactement de leur sort Puisque souvent, dès qu'ils font 3-4 jours sans travailler, et c'est dans l'ensemble de leur économie qu'ils vont pouvoir euh, manger et survivre. Donc, et après euh, donc la crise, comment ils vont pouvoir relancer leurs activités. Donc, euh, vous voyez bien que les impacts économiques ou socio-économiques seront assez, assez majeurs pour ceux qui nous concernent. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.